sont vos Ce sont des travaux pré-hivernales qui ont été initiés par le maire de la commune de Thiès. C'est une excellente initiative qui mérite d'être encouragée et soutenue. D'autant plus qu'elle s'inscrit euh, dans la perspective pré-hivernale. L'hivernage tend à s'installer graduellement au Sénégal je crois que c'est le moment de procéder à ces travaux de réparation pour qu'il y ait quand même un bon curtage des caniveaux, un écoulement des eaux de pluie, pour qu'il y ait une bonne fluidité de la, de, la circulation routière et des personnes également. Donc c'est une excellente initiative. vous pensez qu'il y aura des changements par rapport à l'hivernage passé ben, Espérons-le, c'est le souhait de tous les soirs D'autant plus que nous risquons d'être confrontés à euh, un hivernage pluvieux. Je crois que c'est le moment de prendre toutes les mesures préventives qui s'imposent pour un écoulement des eaux partout à Thiès sans pour autant qu'il y ait des eaux stagnantes, des inondations et autres. C'est dans cette logique-là que devrait normalement s'inscrire euh, l'action du maire qui vient. D'ailleurs, il est dans cette dynamique-là. Voilà pourquoi il y a eu quand même des, quelques désagréments qui sont causés sur la vapeur je Waouh, nous avons le bar, le rafet là. Parce que Bukharon Banayet de Tambli, euh, ndox mi de a le mais comme que installé mais sant rek le ci parce que li mu def ni prévention la pour que ndoxu taw bi bu ñëwé ah mu mëna jaar ci caniveau yi gënal libre ba baña entraver circulation wu nit ñi ak circulation auto yi fepp fo xamni laaj na affaire curatage ci bir kami caniveau yi nañu fa mairie bi dem fa dindi mbal di nekk ci bir caniveau yi dem ci marché yi dem ci bed dem ci tali yi defaraat lépp ba lepp bax bu ko defé ndox bi bu ñëwé mu mëna jall boko telulé fagaru def ko légui légui légui bu nawet bi ñëwé dina am problème bu reuy bo xamni am ci bir Thiès te inondation baaxul zone yi nga xam ni moo fi daan inonde daaw ak daaw jéeg nañ ko jéem a recensé identifié ko léegi ci njëlbeen balaa nawet bi ñëw ñu teel cee jóg teel ce fagaru mais lu ci bari xam nañ ni mu ngi jógee boori euh, Darou Salaam yi di jógee boori angle Sëñ Fallou boori hôpital régional wàcc ñëw fii ci mairie bi bu ñëwee fii wàccee ci mairie bi mu ngi ñu dëgmal jëm boori Ecobank ah war na wàcc foofu jëm boori boori euh, commissariat central te foofu yëpp tuyaux dindi mbalit ba fa nekk seet lépp loo xam ne yàqu na fi ñu defaraat ko balaa nawet bi di ñëw lu baax la loo xam ne ni ñu ko ci ci gërëm te di ko ñaan mu farlu ci góor góorgóorlu ci balaa nawet bi di di ñëw ah déet dañuy jot yaakaar ni ko bu fekkee teel naa jóg jël ay matuwaayam def la cee war kon dina mën a nekk dina baax incha allah